est notre source d'inspiration. Nous sommes jeunes, nous sommes sur l'émission tous à la FADA. Il est né à Yopougo, à Abidjan. Le 12 août, la Côte d'Ivoire a perdu. L'Afrique a perdu. La planète Terre en question a perdu un homme, un artiste. Il a rendu hommage à son frère qui aussi a quitté un peu tôt. À travers cette chanson, il a été reconnu mondialement. Il a chanté Jonathan. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons chanter ensemble pour rendre hommage à l'artiste Arafat DJ, le daichi le président des Chinois. Arafat est arafat eh, eh ma musique, eh, ma musique. Eh, justement c'est avec cela qu'on va commencer l'émission nous sommes sur l'émission Tous à la Fada. Tout le monde. Ma musique, ma musique ma música, ma la eh, Voilà. Nous sommes sur Nyame Niala, Goudron, Bon. Papi Simat no Fadama. Voilà, Mayokuno. Comment Konoa. Konoa. Ah, Konoa, là, elle va répondre. Hein, na rutura nago uko <laughs> vous comprenez eh, voilà avec nos invités, mesdames et messieurs, c'est Yakuba Soumana du Conseil national de la jeunesse, c'est le vice-président que je vous demande d'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Nous sommes aussi avec Rachida Bizo. Elle est aussi étudiante, membre du CCNEJ. C'est quoi ce CNEJ Cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Venu de plusieurs quartiers, nous sommes aussi avec un public chaud. hey, hey. hey. hey aujourd'hui. Alors hier, Rabi Mekano a parlé sur le rôle en termes FADA et la contribution des jeunes au développement de notre pays. Donc aujourd'hui, nous, on va parler des défis et perspectives pour nous jeunes nigérians dans l'atteinte du développement. Ah, mais parce que d'une jeune, en principe, c'est l'avenir, non Nous aurons aussi, et comme d'hab, la chronique de Mr. Olivier, des avis de certains jeunes sur le sujet. Et comme c'est une discussion publique, on aura plein d'interactions entre les invités et le public, sans oublier la musique, car ce serait une fada sans musique. Nous sommes avec les amis autour du thé. Il fait beau, c'est ça. Ce sont les vacances et les jeunes en profitent. Je vous disais au sommaire hier, il y avait euh, le potentiel et le rôle euh, que jouent les jeunes pour contribuer à développer le Niger, qui a été largement débattu dans la FADA d'hier avec Rabi Mekano. Mais malgré les efforts et les, initiatives, les jeunes ont plusieurs préoccupations et ont des challenges à surmonter. C'est ça Certains jeunes ont partagé leur idée sur la question matasa suna da karamcin sana'o'i haka kenan aka taimaka ta haka nan yana yiwuwa a samu ci gaba école era mu irba banya irba jinai yan tablo yan class plus de class yan mire école mire hansarse ak se ba wajen nos parents ont une mentalité archaïque soit disant nos filles doivent être mariées avant même et des âges comme 15 ans ou 16 ans. Ah oui, dis-moi, quand ima il m'a fondé un fier soma zo mu zabu vraiment im ka gaksinente docteur kwara do hara da farmu do hara da école do hara vraiment ko te wone kul man kan gono gum gum gum gum gum sannan kuma a taimaka musu da cika da kayan noma haka na zamani take ke de notre pays faut construire des écoles là où il y en a pas Pour que le pays avance, l'État doit faire la création des emplois pour favoriser euh, l'emploi. Indi ana su kawa ƙasa ta ci gaba abin da ya kamata a fara ma a a Réaction invitée, de retour sur l'émission Tous à la FADA. Vous êtes jeune leader aujourd'hui. Quels sont vos défis Oui, monsieur, vos défis par rapport à, ce que ces jeunes viennent de dire. D'abord, je me présente, c'est Haman Abdelkader, je suis membre du CCNEJ. Ce qu'il vient de dire, c'est une responsabilité de l'État. Mais en fait, nous avons également notre responsabilité, que des fois nous essayons d'ignorer. En tant que jeunes, nous devons nous engager. Nous devons montrer notre présence. Nous devons dire, faire sortir notre voix pour que demain, quand il y a une prise de décision qui nous concerne, nous soyons impliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, le défi actuel auquel nous sommes confrontés en tant que jeunes, euh, c'est lié à l'implication. C'est vrai, de nos jours, on, est, on comprend qu'actuellement, l'État et les ONG essaie d'impliquer les jeunes dans la prise de secret. Mais ça reste encore à faire comme travail. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons à ce que tout ce qui est instance dirigeante pour la jeunesse, qui décide pour la jeunesse, soit dirigé par des jeunes. Monsieur Sissi Yakuba, vice-président du Conseil national de la jeunesse, dites-nous les défis. Donc les défis auxquels les jeunes sont confrontés sont énormes, mhm. Dans la question cruciale de l'éducation. L'éducation parce qu'on sait que la base du développement de toute nation, c'est l'éducation. Mhm. Tant que la jeunesse n'est pas éduquée, mhm. tant que la jeunesse n'est pas bien formée, mhm. on ne peut pas parler de développement, ce n'est pas possible. Et que la question de l'éducation ne doit pas être seulement l'affaire de l'État. Si l'État met les dispositions, les conditions pour éduquer, et si les jeunes refusent, les jeunes ne vont pas ici bah, oh, maintenant. Parce que talomo ah, ah, ah, talibé il faut mon avis. Pas bah, une discussion était partie d'un canon. Jeunes ne gagnent bah, pas, ils gagnent moins ici bas. Wodin sene kin se donde. Hmm. Euh, Choyongo hmm. il faut que borakul wono manti gwamnati nan. Ir jene ibun boda il faut que irmu kai irmu yarda kan ir sin koy gine dir sai fo bai. Attends. Dir man ke ci gwani wat kul tare ni katir Donc il faut que irmu ke ci gabai irmu wani. Président ko qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser vraiment qu'est-ce qui vous limite il faut nous garder limité d'accord donc euh, je commencerai d'abord par euh, rappeler le contexte mhm. dans lequel euh, cette émission a été Mhm. Donc ce contexte, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et cette journée, elle a pour thème cette année transformer l'éducation. Donc elle est célébrée chaque 12 août. Chaque 12 août. Chaque 12 août euh, depuis 1989. Depuis 1989. Oui. Donc euh, le défi majeur. Papusti, de toi à moi. Est-ce que tu as une fois entendu parler de cette journée Tu sais que depuis 1989, Indini Gamara, Borem de toi à moi. <laughs> Franchement, non on nous dit, mais. Et puis vous voulez un développement. Bon, eh, entendre parler de la journée oh. et connaître la journée, oh. je crois que c'est différent. J'ai dit que je n'ai pas entendu hmm. parler de la journée. Peut-être c'est parce que je ne me suis pas mis dans les activités qui concernent la journée. Pas il faut te mettre dans les activités qui concernent. Voilà, d'accord, c'est la question. Continue, pas ça. <laughs> Donc, euh, le défi majeur auquel hmm. les enfants et les jeunes nous sommes confrontés hmm. maintenant, dans toute l'Afrique, je dirais, c'est l'éducation. L'éducation et l'égalité des chances et des droits. L'égalité des chances et des droits. Je m'explique. OK. Les objectifs de développement durable numéro 4. Numéro 4. L'éducation mhm. de qualité. Donc numéro 1, 2, 2, 3. Pour qu'il y ait mhm. un développement et mhm. que ce développement soit durable, pérenne et que ça puisse profiter à nous les jeunes, il faudrait qu'il y ait une éducation. Et une éducation, pas n'importe laquelle, une éducation de qualité. Hmm. Le défi de l'égalité des droits et des chances. Mhm. Pourquoi est-ce que je l'évoque mhm. C'est parce que dans nos pays respectifs, mhm. nous savons très bien que les jeunes filles sont discriminées par rapport aux jeunes garçons. On permet aux jeunes garçons d'aller à l'école, de le financer jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau supérieur. Mais la jeune fille, dès qu'elle a 16 ans, 15 ans, on lui inculque que elle, sa place, c'est dans un foyer, mm. qu'elle doit se marier, que c'est pour c'est est, la finalité même de, de son existence, qu'elle doit se marier et avoir des enfants pour Donc, entretenir une famille. voyez-vous ne godoru ai bina godoru il oh. faut se kan zama mm. arin irne kan ir jone ir siba kala koy dijina jini yemu asite da alboren wai bare go kote fu mm. aran ka bai kan zarmai ne kan bihin kuno ga charnyo chimno sanori dig ba kan bihin kum charnyo ya din ga agi hima da no kan imiz zanka wanda yayi zai da zanka alborai zai imi kunno sayi follonka sayi follonka imi kuddan ekol mm. imi duga cewgu koygina zama irgo ga salan sonda irne kan goysino goyo dirga ba irmu du goy sohon an dunyawo karra irgo 21e siècle inasi mm. irdi kan haykulu sa tourne autour de devant technologie portable ne ya haykul kan irgba evolution kul kirgba hay kul don don kul kirgba mte arrondissement kadai chawyan alhana zumandi to <laughs> <laughs> Alors on va donc tout de suite et maintenant marquer une pause musicale. Alors vous connaissez Kamikaze Liman, c'est ça Est-ce que vous connaissez la chanson de Kamikaze Liman Tu ah. ne Tungawasu Jabaru Karaise Mola Karaise Mola Ema Tunga Jankaye Gajabore Ema Tunga Gante Alega Tunga eh, Kirma Duga Sauta ah, Alandriga no Kamikaze Liman Visa, visa.

sommes calés. Ok, tout le monde tape la main. je vais rappeler, je vais essayer de rapper sur le, truc. Ok, nous, nous sommes collés collés à la pada avec, avec nos amis du casé d'Arslan. Ok, nous parlons de la jeunesse, développement, notamment filles et perspectives. Kamikaze Liman, ladies and gentlemen, à l'instant, je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions et recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil eh ouais, WhatsApp, ok, en envoyant eh, jeune au 80 06 428 54. Envoyez jeune à Haku, Kurkuto, Kurkuto, Idu, à Haku, à Haku, Igu, Itachi. Voilà. Alkeru, tu l'as entendu Aneha, Hankango Nge bloqué. Nge Oboreze. Dingue Tojiro Chindido à 16 ans. Iginge Kalakol, il n'est qu'à leur placer dans le foyer. Zankondé Kango Kaouye, dans les zones rurales. À 5 ans, 6 ans, 7 ans, il est dans l'école. 8 ans, 9 ans, eh, Nyongo Kamba, Tchandam Namko Samuturi. Amka, Anongo, Funago, Nyongo Djarga, Farina, Imamko, Nyongo Gana. To Aranwo en tant qu'homme, en tant qu'alboro. Il faut nous bloquer vraiment. Il répond au nom de Adam Seydou al Voilà. Par rapport à ce que Rachida vient de dire, mhm. c'est une triste réalité. Ok. Parce que moi, je, suis de, la campagne. Ah. Oui, je suis de la campagne. D'accord. Et je comprends, je, connais aussi ce qui se passe. Là-bas, ce que les parents font, comme c'est la campagne, on pense que l'éducation n'est pas meilleure pour la jeune fille. Donc, mhm. c'est ils, font, ils font allusion, c'est-à-dire qui est relatif à la religion, Dès que la fille atteint à l'âge de 14 ans, à l'école, on l'envoie au foyer en disant que la fille, elle ne peut pas euh, euh, étudier. Même si elle arrive à étudier, elle ne peut pas avoir un travail pour pouvoir aider sa famille. Justement, euh, une éducation de qualité, c'est d'ailleurs le moment de rappeler le thème de la journée internationale de la jeunesse qui est transformer l'éducation. C'est ça C'est ça le thème qui a été retenu cette année. S'il vous plaît. C'est ça Vous êtes sûr que c'est ça Oui. Vous pouvez développer un peu le terme, s'il vous plaît Monsieur, vous pouvez Oui, euh, transformer, développer un peu le terme, c'est important. Parce que c'est à cette occasion que nous sommes réunis aujourd'hui. Transformer, c'est-à-dire changer le regard ou bien de l'éducation qu'on a aujourd'hui. Ah, ah. Si vous constatez ici au Niger, chaque année, il n'y a pas une année qui va passer sans qu'il y ait des grèves, des sorties des étudiants ou bien des élèves. Mhm. Genre, on veut transformer cette éducation la transformer, il faut des jeunes. Les élèves ne doivent pas seulement apprendre, ils doivent aussi apprendre à se former. Vous, pensez quoi de cette, euh, de cette citation d'Antonio Guetter Les élèves ne doivent pas seulement apprendre, ils doivent aussi apprendre à se former. Est-ce que an fama dana se sangjar lokol il faut lokol izo sangjar man tam ko école ngone gne ngo gongo non ngandi no il faut que am faham ga benga bon se mo kangi hima ngam kanin kam ko koro ngam fam asi ba laran faham duma fam tel so gurma kini Pour ce qui est de la citation, ce que moi j'ai compris, mm. les élèves, ils sont là à l'école pour apprendre. Mm. En apprenant, il faut aussi amener leurs aides et être attentif à ce qu'on les apprend à l'école pour pouvoir mieux comprendre. Ukobase, c'est tabi, tabi, tabi, tabi. Il faut tonton. Il faut, il faut toujours journée internationale de la jeunesse. Nimbumboda. Nimbumboda. Président, on revient. Selon vous, comment transformer cette éducation aujourd'hui au Niger Partant de cette citation, euh, comment transformer

donc nous association mm. donc mot c'est notre forme de formation mm-hmm. kangana qui permet aux jeunes de prendre conscience d'être mm-hmm. plus citoyens c'est à travers ces structures associatives mm-hmm. donc nous devrons nous former faire une autre forme de formation à travers les, associations la jeunesse ne doit plus attendre qu'on crée des associations, on vous dit venez intégrer. Non, on doit nous-mêmes savoir de quoi on a besoin, on crée des associations qui vont régler ces problèmes-là. Et à travers les structures associatives, je vous assure, on a une autre formation. On a une autre vision de la vie, de ce que c'est que la vie, du bénévolat, du volontariat. Donc nos jeunes, on doit intégrer les associations. Mhm. Irihim bay kunje kango ga ifoyente. Mhm. Irim sine no jeune edi nurno igogino igote. Wolmonge isinde goyno. Mhm. Non non, igogu former no. Ir dir di bore di igote irmi gak sine irmi intégrer mbé hankani igote. yo Allah. Don. Président o oh, vraiment ayo oh, chara sidi bora sanno bodi. Président si c'est mon président, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît une fois de plus. C'est votre émission, toujours dans le public. Vous pouvez intervenir à tout moment. Ok, il y a quelqu'un qui veut intervenir Mais les femmes dominent dans le public. Oui Les femmes dominent. Je réponds au nom de Haruna Hambali, hein. ah, ah. J'aimerais appuyer sur euh, ce qu'il vient de dire. Je crois que l'école hmm. ne doit pas être un endroit en pour les enfants. Hmm. Zama je m'explique zanka foyon gona kan dini im ka kwai ekol mhm. iga he he pourquoi mhm. ahimi mane han zankai mhm. matki ga kurai dispenser ici ahimi mane ha iga jouer ici un peu man tabor maka ekol ga gorza 8h 14h sabi tarkal trésor et puis diga kale oh donc du coup de distraction ya il faut non pas distraction oh. ya wala matki ga kure dispenser ay mi mane ha igite ise wala des façons de ya wala imne des a des fo ay fo ya

qui veut dire que que message nous l'avons évoqué, les jeunes doivent jouer en principe un rôle moteur dans le développement d'un pays. Que pensez-vous que nous devrons faire alors euh, pour responsabiliser davantage la jeunesse nigérienne face aux défis de développement Maintenant, Black Panther, il faut demander hein, une Hein Dis-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire Bon, ouais. salut tout le monde. Mm -hmm. Bon, je me présente Abdelkader Mohamed Lamine. Mm -hmm. Oui, bon, je suis membre de la FADA. Oui, on connaît FADA Karanka quoi. FADA non ira accueillir. Oui, FADA. Il faut s'en goûter en sarkin, c'est des dermsani. Ah non. Euh, nous disons que nous di bas gays en kainu ki chechi rubu rubu. T'es des dermsani. Ah tiado. OK, FADA kunwana ma. Les jeunes doivent entreprendre quoi. Quand je viens Ginga apporter. Mais pourquoi il faut qu'il t'aide chaque fois C'est à l'État de faire. La jeunesse ne peut pas entreprendre. Non, jeune été, ce qui freine, c'est le manque euh, du financement. Bon, du coup, puisqu'il y a pas mal de jeunes qui ont des programmes, qui ont des projets à réaliser. Des entrepreneurs. Des entrepreneurs, de tout. Bon, même moi, je suis ici, je suis un étudiant. Oh. J'ai des projets à faire. Et puis j'ai tout. Tu as les projets sur papier et tu attends un financement. Ouais, bon, c'est pas il ça. faut rêver, ouais. C'est pas ça. si je pars, je ah. pars, je cherche des financements. Ok. Oui, j'ai même une fois, j'ai même été à l'université, j'ai déposé mes papiers et tout. Et jusqu'à présent, ils ont dit qu'ils vont me rappeler. Ils ne t'ont pas encore rappelé m'ont pas ah, encore rappelé. Donc, on te ta logo. Ah, oui. Mais tu sais que ta soeur n'est pas d'avis avec toi Qui, elle euh, Explique-lui que. on ne ah. peut pas toujours attendre que le tas se lève et décide de faire quelque chose pour nous. Il faut être engagé. Tout le monde peut intervenir sur l'émission. Il y a des opportunités qu'on garantit Alors, il faut qu'on Alors, avant Olivier il va, elle va parler. Il faut, il faut élever la voix pour que Wahangana si Wahangana si. Voilà, aigo ma aichela igone. Aigo ma aichela igone. Oh, han foyan financement no sino, je n'ai igone projet yan. Hein. Hmm. Mais est-ce que arango consulter en ligne? opportunité bobo yango en ligne kan igo chechi bumbo no je n'ai ma ayo. Ah, ima ima postuler opportunité au oh, c'est ici godou. Mhm. Tef programme fogon qui signe Tony et Melu Foundation en collaboration avec UNDP qui ont lancé vraiment euh, ce financement-là. Igo Tchéchi, jeune du Niger, ils postulaient Halkason Imondou, Kaline Dato repoussé jusqu'à le 20 août. Et chaque projet, Niging gagné jusqu'à 5 millions. Nimbumbora, niga! Baïwe. Amen. Président. Hmm pour responsabiliser davantage la jeunesse nigérienne en face au défi du développement Qu'est-ce qu'on peut faire je, pense qu'il faudrait que la jeunesse elle-même prenne conscience mhm. de son rôle et surtout de son poids démographique. Mhm. parce que Parce qu'au Niger, quand même, on est plus de 70% jeunes. Mhm. Et que ces politiciens-là, c'est ceux qui nous dirigent. C'est nous qui les élisons. C'est nous. Si, sans nous, ils ne peuvent pas être au pouvoir. Président, si c'est Kim Donc, sintina mm -hmm. il faut que ir jene mm. dirg ba imte de ir mm -hmm. kalir mfuro ir mfur politique mm -hmm. ir mfur partiera mm -hmm. ir mbe kan bore de ir nogo gi suban mm. ir mte conseiller yan ir communera mm. zama labo ko de gine wa sintin kal communera mm. plan de développement communal mm. dir sibe hanki godan ira kangir ton ton kan c'est acité mais le problème c'est quoi kalir mo furo hangan gama kalir mo furo ngodin nous sommes jeunes on veut transformer on veut changer les choses mais nous ma jeune ko je suis trop jeune moi je ne m'intéresse pas là oh, la politique maintenant on doit être conscient que la jeunesse ce n'est pas demain c'est aujourd'hui c'était donc l'intervention du vice-président du Conseil national de la jeunesse, M. Sissé Yakouba. Et Alors eh, toi, tu es jeune, tu as entendu président. Je veux juste compléter quoi, mon ami uh-huh. qui dit que pour entreprendre. Et mm. moi, je ne suis pas d'accord quand un jeune dit que pour entreprendre, il lui faut des financements. Mm. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on n'a pas besoin de gros financements. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui se font mm-hmm par des gens qui n'ont pas besoin. Faire du titiana, comme l'autre dit, il faut innover. Non, moi je pense que si tu innoves, même le titiana là, si tu innoves, mm. si tu viens dans un lieu, tu fais, comment, euh, tu, tu, fais le lieu très propre. Mm-hmm.

vraiment ah oui, c'est pas problème Nos femmes sont salam contribuer au développement du pays c'est le challenge de plusieurs jeunes d'ailleurs depuis quelques années au Niger Plusieurs structures de jeunes sont créées, mais beaucoup de personnes doutent de leur mission, pensent qu'elles sont guidées par la part du gain. La jeunesse ne serait-elle pas habituée au gain facile Merci. Camarade, camarade Adam Saïdou, al de l'UAM vraiment, la jeunesse doit apporter sa contribution. Mhm. Aujourd'hui, la jeunesse doit appuyer, mhm. doit appuyer le, euh, c'est-à-dire le gouvernement. Mhm. C'est-à-dire on c'est pas, se fier au gain facile. Oui, effectivement. On doit pas... Oh oui, mm on ne doit pas aussi rester mm -hmm. politisé. Mm -hmm. Parce que c'est ce qui, c'est ce qui, qui, qui met euh, fin aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'éducation est à terre aujourd'hui. Bien sûr. Donc, il y a un gars qui est dans le ordino. Il y a une un gars qui est kedi gwamna parce que gwamnati ne gwamnati manti ayo bore kayen go ben politicien hene ki gwamnati me bara kul gwamnati no me gwamnati odi ne gwamnati o bara kul wonno me

aran sin ka hey aran go hangan di cimin di cimi mm. furta gay wani problem mai mm. ir go gani sambu hal di cimi di cimi ir furta gay wani problem mai ir go gir bon bon ir go gir bon sentir concerné mm. par tout cela ay mila kan goye kan ir go da action ay kiri go gate go bi se kan wallahi ir go salan imaga jongera mm-hmm. récemment en avril il mm-hmm. était forum sur le mariage des enfants à Maradi. Okay. Il quoi? Il quoi que tu as quand gono? Quand kangir ir mu ir jane kan nir samba ngai mu haya kan go ibinaira ngai no mm. ir gici haya kan igba ngano ir koi ga ha kan kan imi irga kan bandi char kambara gomnato da ir partenaire technique et financier da association ngai im kambadan char kambara pour que haya am koy dijena igwa ga sanan ir semo hanka igba ba aja wallahi ni hin sanni wallahi <laughs> wallahi aja non no sanno ni wallahi ay ni wallahi Président, une question Est-ce que vous, jeunes leaders, vous défendez réellement les causes de la jeunesse ou ce sont plutôt vos intérêts immédiats et individuels que vous visez eh, ben, quand ir <coughs> conseil national de la jeunesse manti ir togu y a eu un long parcours parcours o mo kirnite zair association era no gina mm -hmm. kala kair commune era kala kair département era ir région era halir ka niveau national mm -hmm. donc dondi on kuna bokul kan ga bay hankir gogte mhm. ga bay kan ir sigate kal fisbillahi furta gays mhm. kan mo wone kirgote irgoate no de manière bénévole et volontaire mm -hmm. mantir goyono ni anige goyo bay mm -hmm. irgondir goye me asigengi irgir goye na irgir winde na irsikani kinin da zari irgo hanfon hal kauye kauye ra bani bongu yan abala yan mhm. dife yan me nisarwa hal boso yan mhm. ga kandir kam ga sina kangana niger jeune bongen feri im faham im be kan labo sko de gina damanti inga no furo bor fo mo sifun tarai kaga konda labo ise ise gina mhm. damanti ngai non tenge bonse to president

Hey voilà, donc c'était de l'ambiance et de la musique à l'émission. Hey hey, hey Mon public est chaud. Alors, si vous êtes chaud, j'ai chaud au cœur, comme on dit. Alors, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 428 54. Ainsi, vous recevrez tous nos contenus et vous pourrez aussi participer à notre FADA. On a parlé des défis obstacles qui limitent, voire empêchent les jeunes de réaliser leur potentiel, de participer pleinement au développement du Niger. Maintenant, parlons perspective face à tout cela. Je rappelle que vous êtes M. Sissi. Vous êtes le vice-président euh, du Conseil national de la jeunesse. Fourtaye. Oh. Kalim, Kalim hmm. Éducation au hmm. Imingé Mouye Ferry. Mhm. Imte prise de conscience. Mhm. Mhm da mantingai mhm. labo su ko digina mm. in fam ga bai wodin ga mm. ihin kanta mhm. hay fogon kambo er man salan don mhm, dirgo gorneo dirgo sala mat kirga ba zam se kanay gon irga bai kan ir niger gonde jare yan kan lakkal tuneno lakkal tuneno gon donc il faut que nous jeunes on prenne conscience qu'on comprenne que la question de la paix ça nous concerne tous la question de nous, sommes, La question de la sécurité nous concerne. Donc on doit prendre conscience. Hein. solution. On avait relevé les défis, problèmes. Alors sont maintenant veut une solution. Tout ce qui peut amener justement ces jeunes à contribuer au développement de la nation toute entière. D'accord. Donc euh, nous, ne pensons que mhm. pour que les jeunes puissent s'épanouir, mhm. pour que les jeunes l'éducation puisse leur être profitable, mhm. il faudrait qu'il y ait de l'innovation dans l'éducation. Mhm. Il faudrait que les enseignants et mhm. les élèves se sentent à l'école, qu'ils se sentent épanouis en dispensant les cours et que les élèves aussi se sentent à l'aise et libres de pouvoir apprendre et que cet apprentissage leur puisse leur servir. Nous pensons que les jeunes, comme solution, il faudrait que nous, les jeunes, puissions nous lever ensemble, qu'on ait, euh, une synergie d'action entre nous pour pouvoir faire changer les mentalités sur les associations de jeunesse dans lesquelles nous nous sommes. Parce que nous ne parlons pas pour nous-mêmes, nous parlons pour tout le monde et pour ceux aussi qui ne peuvent pas se faire entendre. Merci Rachida. Rachida buzono iginase, étudiant, membre du CCNEJ. Vous intervenir. Son, on on, bon tableau de bord, public, vous avez un mot à dire. Parce que solution n'est pas Beaucoup quand on est syndicat, a solution n'est pas Sur le plan de sécurité. Et je rappelle qu'on t'appelle Monsieur Alkeirou. Et j'ai dit à nos parents, fils, filles, petites filles, même les enfants qui rampent, puissent sortir pour dire non à l'insécurité dans ce pays. Sur le plan l'éducation. Sur le plan, ok. Voilà. Donc là, vraiment, il faut que nous tous, nous en tant que jeunes, nous nous engageons pour que les enfants puissent avoir la capacité de convaincre. Là, ça, c'est un engagement de la jeunesse aussi. Nous réclamons, nous, réclamons effectivement. Nous allons exiger. Tape la table, la nous, allons exiger. Euh, tape encore la table. Voilà. Nous allons exiger. Merci. Merci, merci camarade. Merci camarade. Ok, donc moi c'est Aman Abdelkader. Je voulais réagir par rapport aux perspectives. Et, euh, je voulais... et, vous êtes dans le public Oui. Ah, je suis, dans le public, évidemment. <laughs> Ok, moi je pense que comme perspective, j'ai mm. je un peu appuyer l'idée du, vice-président du Conseil national de la jeunesse à travers laquelle les jeunes doivent, les jeunes doivent, engager, doivent s'engager dans les structures de jeunesse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école et apprendre à lire et à écrire, mais il s'agit d'être acteur de son propre développement. Il s'agit également de défendre une cause, une cause qui soit juste et noble. Moi je pense qu'en s'engageant dans les structures de jeunesse, et qui défendent plusieurs causes, on peut vraiment être acteur de ce développement dans son pays. Euh, voilà. depuis le début de l'émission, on a parlé d'engagement. Mm. On dit que la jeunesse est engagée, elle est dynamique, elle est active. Mm. Mm. D'accord. Tout à l'heure, le président disait que il a donné comme conseil aux jeunes d'abord d'étudier. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi rappeler à ceux-là qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école qu'ils ont d'autres canaux de sortie, c'est-à-dire créer eux-mêmes des entreprises. Quand on dit entrepreneur, euh, entrepreneur aujourd'hui, tout le monde, seulement, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes pour le faire. Non,

avant donc de clôturer, mesdames et messieurs, cette émission Place à la chronique. Olivier, je te souhaite la bienvenue. Il est venu fraîchement donc euh, de l'autre côté. Alors je vous demande d'accueillir Olivier avec Hey Hey Hey Hey Hey, <laughs> Ah là là, merci beaucoup la team, c'est très gentil, je suis très heureux de vous retrouver, le micro, l'équipe, en vrai, Dandy, je vous assure que vous m'avez manqué, mon frère. Pareil, Mr. Olivier. Oui, de la culture avec un deuil. Le 12 août, 11 Didier Ruyon s'en est allé. La star de Coupé Décalé, l'artiste, compositeur, interprète et vrai griot des temps modernes, Didier Arafat a rejoint les ancêtres suite à un accident de circulation. Selon les informations ça et là, l'homme sur sa grosse routière a percuté une voiture d'une journaliste de la radio-télévision ivoirienne. Pendant que l'homme gisait au sol, le premier constat fut ceci. Didier Arafat roulait sans casque. La leçon de cette légende urbaine est double. D'abord, il a montré à sa génération qu'on peut quitter le ghetto et être au sommet grâce à son talent, sa créativité, bref, sa témérité. Mais une autre leçon capitale à retenir, c'est de porter un casque sur deux roues. Ils sont nombreux à perdre la vie aussi par simple négligence ou imprudence dans la circulation. Leur point commun, des accidents de moto, sans casque, l'amour du risque, tous des jeunes. Chers amis, vivons sagement. Que l'âme d'Arafat Didier repose en paix et que sa mort serve de leçon à tous les jeunes espoirs d'aujourd'hui et de demain. Cette tragédie nous a tous marqués, mon frère. Olivier. Alors Olivier, quelles sont les formations que tu veux partager euh, avec nos amis jeunes en, ce qui concerne ce numéro de Tous à la Fada Policy Training Center in Africa, offre une bourse de master en politique de commerce international et le droit du commerce en Tanzanie. Les candidatures des femmes sont vivement souhaitées. Sur le plan national également, dans la région de Zender, la Croix-Rouge nigérienne recrute une sage-femme et Save the Children recrute un agent de terrain polyvalent. Et, chers amis, on se prend la semaine prochaine, c'est le dimanche. Préparez très bien votre lundi et que Dieu veille sur nous tous. Restons concentrés sur nos objectifs et gardons l'esprit ouvert. Voilà tous à la fada de cette semaine, c'est fini. Mais avant de clôturer, on doit mettre l'ambiance pour montrer que nous sommes en public. Est-ce que vous êtes chaud à chanter et à danser avec moi parce qu'il nous faut un peu d'ambiance Est-ce que tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît Tout le monde, on y va. Zagatke. Zagatke. Zagatke. Merci, merci, merci, merci, merci. Durma, durma, durma, durma.